Comme dans tout système éducatif, les élèves sont régulièrement évalués et ceux qui ont de mauvais résultats redoublent ou sont exclus de l'école. Cependant, il existe une pratique frauduleuse qui permet aux élèves renvoyés pour insuffisance de notes de réintégrer une autre école publique moyennant une somme forfaitaire payée par leurs parents. Plusieurs acteurs de l'éducation sont impliqués dans cette pratique corruptive comme nous allons le voir dans cette enquête. Le transfert frauduleux est une pratique courante dans certains établissements publics de Niamey. En 2017, par exemple, au niveau du complexe d'enseignement secondaire 16 Himayankori, Ancien chef de 3 situé dans la commune 3 de Niamey, 519 cas de faux transferts ont été découverts par l'administration, relève Youssef Seriba, journaliste du journal en ligne Les Échos du Niger, dans un article publié le 22 avril 2022. Quatre ans après, courant l'année scolaire 2021-2022, la même pratique refait surface avec cette fois-ci un nombre plus élevé de cas, cette fois-ci à l'échelle de la capitale Niamey. Maham Boukar Kolomi, directeur le régional de l'éducation de Niamey déclare avoir détecté plus de 5000 cas de transferts frauduleux dans plusieurs établissements. En 2021-22, pendant l'année scolaire, nous avons tenté de vérifier au fond ce qui se passe dans les écoles et on a découvert un certain nombre d'irrégularités, notamment euh, les inscriptions parallèles. Euh, les fausses inscriptions vraiment, euh, qui étaient assez importantes. On joue sur la sensibilité ou euh, la situation euh, financière du parent qui ne peut pas, un enfant quand par exemple il est exclu, au lieu de l'inscrire dans un établissement privé qui coûte 190 000, 100 000, on lui prend 20 000, 25 000, et puis bon, ça fait l'affaire de tout le monde. Soumaïla Mamoun Rachid. Le chargé de presse à la section collège-lycée de Niamey déclare que cet acte frauduleux est une réalité dans les écoles publiques de Niamey. Les élèves, une fois inscrits, cherche des transferts pour aller vers les privés. Mais une fois au privé, l'élève peut faire un an, deux ans. Après, il veut encore vouloir se retourner vers le public. Oui, présentement, il y a ça. Des camarades qui ont été exclus définitivement l'année prochaine ou l'année prochaine, on les revoit sur les mêmes bancs de l'école publique nigérienne encore. Quelque chose s'est passé dans le noir. Alors que ici dans les écoles publiques, il y a le flux massif des élèves, il y a le manque des classes, des tables table ba Ai kan Selon les investigations menées auprès de certains acteurs de l'éducation, les chefs d'établissement sont pointés du doigt dans cette pratique corruptive. Des cadres de l'éducation et anciens syndicalistes ont confié que les membres du comité de gestion des établissements scolaires COGES, dont des parents d'élèves sont les intermédiaires, c'est-à-dire les canaux par lesquels passent ces fraudes. Issouf Arzika, ancien secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger SNEN, estime que ce système défaillant trouve son origine dans la mauvaise gouvernance du système éducatif. C'était dans les années 2000-2023, cette mauvaise pratique a pris corps et finalement les anomalies ont été normalisées. Au début, c'est parce que l'État n'avait pas les moyens de permettre aux établissements de fonctionner qu'on a fermé les yeux sur cette fraude-là. Au Bamo, ils prennent 50 000 par élève. Et quand ils prennent 50 000 par élève et qu'on se retrouve souvent avec des centaines d'élèves, avec près d'un millier d'élèves, il faut voir ce que ça fait. 50 000 fois 1000, ça fait 50 millions. Et tout ça, c'est un individu qui amasse ça. À peine s'il fait les besoins de l'établissement. Aussi, faut Arzga pointe du doigt la politisation de l'administration de l'éducation. La plupart de ces proviseurs-là sont des proviseurs, donc ici des partis politiques au pouvoir qui pensent que personne ne peut les toucher. Si tu les touches, en fait, euh, c'est comme un sacrilège. Tu as profané la ligne du parti. Les syndicalistes ont commencé à festiger ça et les professeurs qui étaient exploités parce que ces élèves sont enseignés alors que les professeurs ne sont pas payés pour ça. Mais le proviseur, lui, il est payé, il est même surpayé et il, siège dans les, écoles de l'État, sur les tables de l'État et utilise les enseignants de l'État. La chaîne des rabatteurs est composée de plusieurs acteurs de l'éducation, déclare Youssef Siriba, journaliste du journal en ligne Les Échos du Niger. Révélation découverte lors d'une enquête qu'il a menée sur la corruption en milieu scolaire. C'était en 2017 au niveau du complexe d'enseignement secondaire CES Himayankuri, ancien de 3 de Niamey. C'était dans le cadre d'une enquête euh, que j'ai menée sur euh, la corruption, notamment la corruption qui concerne euh, la gestion des comités de gestion des établissements scolaires. Donc les COGES, c'est un peu les cotisations que les parents effectuent chaque année pour accompagner le fonctionnement des établissements scolaires. J'ai découvert aussi que les responsables de ces COGES-là s'adonnent à d'autres pratiques corruptives, qui est notamment le recrutement parallèle. C'est des parents d'élèves, parce que ce sont ces parents d'élèves-là qui siègent au niveau de ces COGES-là. Et donc ce sont ces parents d'élèves-là, très malheureusement, qui, au lieu d'œuvrer pour que les établissements scolaires, le CG3 en question, puissent être euh, débarrassés de tous ces problèmes-là qui gangrènent la qualité de la formation, le niveau des élèves, ça donne plutôt à ces pratiques euh, corruptives-là. La liste des intermédiaires de cette pratique corruptive est composée en plus des parents membres des COGES, d'autres acteurs de la chaîne du système éducatif. Youssouf Seriba. Vous avez les membres du comité exécutif de l'établissement aussi qui ont une influence dans ces affaires. Souvent, ils ont des amis aussi qu'ils placent dans ces établissements scolaires. Donc, des amis qui ont été renvoyés à l'issue de l'année scolaire, ils usent de leur euh, position d'influence au niveau de l'établissement à travers les débrayages pour euh, perturber euh, le fonctionnement de l'année scolaire. J'ai même parlé, je crois, d'un cas qui concerne le secrétaire général qui a essayé d'engager un bras de fer avec la par rapport à ces genres de questions-là. Vous avez des responsables dans le corps professoral qui placent des, des enfants, des amis, des parents. Vous avez l'administration, les surveillants, donc c'est un problème beaucoup plus profond. Et on m'a même cité par exemple des responsables de direction régionale de l'éducation qui font pression sur euh, les établissements scolaires aussi pour qu'ils prennent des jeunes. Conséquence de ces recrutements parallèles, les classes sont en surnombre avec des effectifs pouvant atteindre 120 à 130 élèves. Selon plusieurs témoignages, les élèves exclus et réintégrés en contrepartie des sommes versées aux responsables des établissements scolaires sont ceux-là qui sèment des troubles dans les écoles. Au demeurant, cette pratique frauduleuse et corruptive impacte négativement la qualité de l'éducation. Al-Mustafa Moussa, président ASSO EPT Niger. Le faux transfert, première conséquence, ça développe la corruption dans le système éducatif. Outre le phénomène de, de corruption, quand un redoublant, un exclu vient dans un nouveau établissement, vous allez constater que les mêmes raisons pour lesquelles il a été exclu, c'est-à-dire les raisons d'indiscipline, aujourd'hui, ces élèves, ils se retrouvent dans un nouveau établissement, ils vont encore développer l'indiscipline et les violences vont naître encore dans ces nouveaux établissements qui les accueillent. Et tout ça va avoir effectivement les conséquences sur la qualité de l'éducation. Ce transfert frauduleux est considéré comme une concurrence déloyale aux écoles privées, déclare Nasser Alhaji Sanoussi, secrétaire général de l'Association des promoteurs des écoles privées du Niger. C'est une concurrence déloyale parce que le public n'est pas autorisé à recruter des élèves qui sont déjà inscrits au public. Et en plus, ils prennent de l'argent. Alors que l'école publique est exclusivement gratuite. Je suppose que les gens vont parler de COGES. Non, le COGES, c'est un moyen de bon fonctionnement, d'accompagnement de ce que fait l'État, comme ce que nous faisons au privé. Et donc, celui qui veut faire du privé, il quitte le public, il vient, il fait comme nous. Mais tu ne peux pas aller te cacher au public et démarcher des élèves du privé. Ça, c'est une vraie concurrence des gens. Je dois vous dire qu'à plusieurs reprises, le conseil a été fait. Par exemple, je ferai un La rentrée de, l'année passée, le ministre en personne, à sa réunion de la rentrée, a annoncé qu'ils ont identifié plus de 1000 élèves dans trois CLS e de Niamey visités. 1000 élèves qui ont été recrutés dans ces écoles. Les auteurs de ces transferts frauduleux ont été sanctionnés. D'autres gardent toujours prison selon Mahamad Carcolomi, Kolomi, directeur régional de l'éducation. Aussi, il déclare que la situation est sous contrôle, même si par ailleurs des personnes récidivistes continuent de le faire en cachette. Nous avons mis en place une stratégie pour essayer de contrôler et, de suivre euh, cet aspect des choses dans nos établissements. Donc, euh, au moment où je vous parle, je ne dirais pas que c'est totalement éradiqué, mais c'est vraiment sous contrôle et on prête attention. À Niamey, on a eu euh, des agents de l'État qu'on a envoyés à la police l'année dernière. Et on a aussi des cas où ce ne sont pas des agents de l'État, c'est juste des, citoyens comme ça qui rentrent dans la danse euh, pour se faire facilement de l'argent. On a donné euh, carte blanche aux inspecteurs pour qu'ils contrôlent n'importe quel établissement et de le faire à tout moment pour essayer de bloquer ce type d'irrégularité qui ne servent ni les enfants, encore moins le système. Et je vous dis, pendant cette année 2022-2023, je n'ai pas d'écho, en tout cas, où il y a ce type de comportement de façon récurrente. On peut avoir quelques cas, il y en a, mais ce n'est plus à une échelle euh, assez importante. Il faut reconnaître que la tentation est grande de perpétuer cette pratique frauduleuse qui rapporte d'énormes sommes d'argent à ses auteurs, à considérer que chaque élève irrégulièrement inscrit paye la somme de 50 000 francs CFA. Les 519 enfants détectés en 2017 7 au 16 en ancien juge 3 du Niamey, auront renversé la rondelette somme de 25 950 000 francs CFA. Une question vient à l'esprit. Les sommes colossales encaissées par les chefs d'établissement sont-elles exclusivement gardées par ces derniers ou partagées avec d'autres responsables du secteur de l'éducation?